Malik Diop, euh, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Cette rencontre euh, entre dans, dans la suite logique de, de DUSO, Tabakh qui est un dialogue euh, entre le gouvernement et la société civile qu'on a entamé il y a plus de. depuis le mois de juillet. Donc nous avons accueilli aujourd'hui le, le ministre. Euh, Birame Soleil Diop ministre euh, du euh, du ministre du pétrole et des mines pour échanger dans en ce qui concerne le, secteur son secteur d'activité son secteur d'activité qui a regroupé aussi l'ensemble des organisations de la société experte qui travaillent sur cette question-là pour qu'il y ait un échange direct sur comment les préoccupations de, de la société civile puissent être prises en charge dans la formulation du nouveau projet, du nouveau projet, du nouveau référentiel euh, des politiques publiques. C'est important que, euh, que ce processus puisse, continuer pour échanger avec, euh, avec les ministères, donc pour voir comment aujourd'hui saisir cette opportunité d'un nouveau référentiel pour que les préoccupations euh, de la société civile puisse être prise en charge euh, dans le cadre un peu de cette formulation. Nous, nous, avons insisté beaucoup plus sur la co-construction. Je pense que le, président de la République a appelé à une co-construction d'une politique publique. Et quand il faut co-construire une politique publique, les organisations de la société civile qui sont aujourd'hui euh, une masse critique en termes de propositions, en termes de, de euh, euh, doivent être beaucoup plus écoutés, doivent être beaucoup plus... Euh, on, a, doit être beaucoup plus attentif à leurs préoccupations parce qu'ils ils sont très proches de la population, ils apportent des, solutions endogènes, des solutions de, proximité par rapport aux, aux préoccupations des populations. Donc, travailler avec la société civile, c'est beaucoup plus travailler sur une politique beaucoup plus inclusif, beaucoup plus durable. Et c'est à cela que nous appelons un peu les ministères et qui, il faut le dire, qui acceptent de faire ce jeu, de venir ici au sein du centre de ressources des acteurs nord africains pour échanger et co-construire ensemble donc, des, positions communes pour que qu'ils soient beaucoup plus à même de répondre aux préoccupations des populations. Et c'est dans ce cadre-là que ce processus va se continuer, va se poursuivre avec tous les autres ministères pour qu'on puisse amener à avoir euh, un, document de référentiel, même si c'est publié, les grands axes vont être publiés, vont être publiés euh, la semaine prochaine. Et nous allons entamer cette réflexion-là d'approfondissement, de, de co-construction pour que les plans d'action, pour que le document final puisse refléter réellement les préoccupations des organisations de la société civile. Le thème, le thème reflète un peu les, trois axes prioritaires qui ont été définis par, par le chef de l'État lors de son premier conseil des ministres. Donc là, on était avec l'exploitation optimale des ressources. Donc là, euh, on était à l'exploitation optimale des ressources. C'est-à-dire comment aujourd'hui les ressources naturelles puissent être bénéficiées avoir de l'impact au niveau des communautés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire comment les communautés doivent bénéficier de l'exploitation de nos ressources. Et ces questions-là, c'était une question fondamentale qu'on a adressée au, au, ministre pour voir aussi l'ensemble des acteurs aujourd'hui, que ce soit les pêcheurs, l'agriculture, tous ces secteurs-là doivent avoir un impact par rapport à ces ressources-là. Et ça, c'est ces éléments très forts que nous avons échangés directement avec, avec le ministre, avec les communautés aussi, parce que ces communautés restent inquiets. Les pêcheurs restent inquiets par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz, par exemple, dans la zone de Saint-Louis. Les questions euh, euh, d'inclusion des femmes qui sont dans la zone euh, des mangroves aussi qui sont des ressources pour ces femmes-là, qui sont des ressources pour ces communautés-là. La pêche est une ressource aussi pour toute une communauté. Comment aujourd'hui allier les deux allier l'exploitation de, ces ressources, mais en préservant, en préservant fondamentalement l'activité de ces communautés-là, qui sont des activités euh, de, ressources, qui sont aussi des activités de survie. C'est forcément ça, dit que aussi, c'est comment aussi, euh, c'est la même problématique, c'est que l'exploitation des ressources doit bénéficier aux communautés, mais aussi doit bénéficier aux collectivités territoriales. Parce que euh, il est inconcevable aussi que euh, il y a des mécanismes, des fonds miniers qui, sont, qui, ont été mis en place. Il faut aussi que ces ressources puissent avoir des retombées au niveau des communautés des collectivités territoriales. Que les communautés territoriales accèdent à ces fonds miniers et qu'il y ait une, répartition équitable des ressources pour ces communautés, pour ces collectivités territoriales. dañ fi euh, ngir continuer bi ngir tabax Diso ngir tabax depuis juillet nous nos un espace de société civile bi le gouvernement pour mën waxtan ci li jëmal réew mi ndax réew mi dafa toll consensus fort réew mi dafa toll fo pour nous liggéey nous que ñu d'accord ci ay et comme gouvernement bi dafa ñëw politique bu

secteur bu nek am nañ ci ay li naan note de positionnement pour ni secteur société civile li une position Nous avons dañu recevoir le ministre Birum Souley pour discuter mom ci ressources naturelles ndax ressources naturelles tay so xolé Sénégal wax ji lepp dafa bëri ci ressources naturelles surtout pétrole nous xol tay acteurs yi nga xam dañuy liggéey ci walu ressources naturelles

japp que ni loolu war nañ ko mën a ci nouveau référentiel bi même su fekkee ne jàpp na nouveau référentiel bi axe majeur yi ñun premier ministre neen dana ko partager population la semaine prochaine ñun liggéey boobu continuer pour gën a ñu mën a gën suñu contribution société civile ci projet bobu ba nga xam nous lolu su génné pop politique bobu dana mën refléter réellement préoccupation pour la communauté pour préoccupation population pour que nous sachions que nous avons dana am jeexital ci ñoom. thème bi euh, reprendre le président Jamar euh, Faye waxoon ci premier conseiller des ministres bi ndax dafa génne woon ay axes ci biir axes yi dafa optimale des des ressources naturelles. ñu optim soo ko xoolee mooy nan la war a fexe ba nga xam ni euh, alal bi nu bi bi nekk ci réew mi am mën a am jeexital ci askan bi tey soo xoolee muy exploitation pétrole bi muy gaz bi dafa am jàqare yu bëri ci communauté yi ci nappkat yi soo demee suñu mbokk waa ndar yi man ndar ndar la waa waa gen ndar yi dañu am préoccupation am jaaxle ci ndax pétrole boobu su ñu ngi koy exploité tey du am jeexital ci seen ci seen napp ci ci ci ci ci ci ci ci jën bi soo xoolee aussi ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci zone Sangomar bi parce que soo xoolee foofu aussi mangrove bi aussi dafa am liggéey bu bëri yoo xam ni suñu mbokku jigéen ñi dañ ko ciy def kon dañu war a toog ak acteurs yooyu yëpp pour mën a waxtaan ba nga xam ni lii nga xam ni yaakaar la. boo xam population bi daf ko am muy exploitation pétrole ak gaz bi mu bën a am ay externalités négatives trop ci communauté pêche yi ak communauté ñi nga xam ne ci mangrove yi kon yooyu ay waxtaan la ay ay diisoo la donc diisoo bi ngir tabax ëllëg bi loolu la ndax ñu ñëpp dañu bëgg un Sénégal prospère Sénégal boo xam ne ku nekk da nga ci gis sa bopp mais comme nag ñëpp dañu ci war a gis seen bopp il faut que ñu koy waxtaanoo il faut que ñu koy péncoo